Très bien. Merci de m'avoir posé cette question d'ailleurs. Parce que depuis lors, je gis mais comme je vraiment du ku pas mon style mais merci de m'avoir posé cette question pour me l'air. une bonne fois pour toutes effectivement il y a cette disposition au niveau de l'article 29 mais bon, mais article 31 Alénéa bu ne sont pas concernés ceux qui sont condamnés par les articles 92 à 95 du code pénal Moi, ñi nga condamné ci et moi j'ai été condamné par l'article 95 Moi, je ne suis pas concerné du tout donc mon éligibilité n'est pas du tout touchée parce que nag nit mi parce que les ko parce que manifeste nga candidat démocratie vous faut le après le lu donc merci de m'avoir posé cette question pour me clarifier que c'est l'article 31 qui m'exclut du champ d'inéligibilité. je suis bien éligible mais là, du du problème parce que je suis suis le dal rek moo ma ñor xam je suis ñor li c'est-à-dire que je suis di wax ak yow 10 jours nga tegu ko fenn yéen ñëpp wax ngeen ci génn sa siège di xool le président Khalifa Sall ñu bloqué cortège am nous moo tax ñu bloqué ko génn gars yi pamti pamtee la dugal ci fourgonnette bi yóbbu pourquoi dañu jot une décision aussi simple que ça yóbbu ma section de recherche pendant trois jours Par pare section de recherche yóbbu ma prison Sébikotane pare yóbbu la procès ni le six mois avec sursis mais lolo, dans un pays normal fan lay pour dire que des fois il faut pas ngeen di yam juste conséquence de ngeen di remonter ci cause et boire daa ngeen am yenn réponse mais cause itam bu parce que li indi arrestation voilà on avait rejeté votre liste finalement dem ngeen ba réalité dab pas de participer ci élection et vous n'y également ci li xew moi et contexte bi mooy Ousmane Sonko moo am problème ak Mame ñaa Niang Mame Mbaye Niang porte plainte pour diffamation Ousmane Sonko di dem ne day yóbbaale gone gunge gone yi te chaque fii ñu ngi fii at ay citoyens yoo xamante ni affaire diffamation la kenn woowut euh, di attroupement te ku ne xam na ni tam manifestation boo koy def da wara war a obéir wala nga respecter ay règles monsieur Fall. déjà ci li ma xam ci mbir mi mooy ku nekk am nga droit dem tribunal. Donc si le président Ousmane Sonko donne tout le monde rendez-vous au tribunal, c'est son droit. S'il dit également que pour me guérir, c'est son droit le plus absolu. les forces de défense et de sécurité, moi, fini que encadré comme Mais tu ne peux pas lui définir un itinéraire. Maintenant, le procès, l'IAM, visé am derrière, nous, c'est ça qu'on condamne viser encore une fois d'éliminer un candidat loolu nous ñun mënuñu ko supporter mënuñu ci ànd te duñ ko ans parce que si ce rythme continue bu parlez ci président Ousmane Sonko ci président de la jëm yow mi boo ambition suba fii nga toog nii Chérif Dia gannaaw suba qu'est-ce qu'il veut infiler Moi, mooy ñu 2024 il n'y aura pas de candidat il veut créer une pénurie de candidats quand tu crées une pénurie de candidats, c'est une manière d'instaurer la dictature, c'est une manière d'instaurer un royaume. Est-ce que l'on yen, ak vivre, la démocratie sénégalaise, est-ce que vous avez nit président Macky Sall de créer une pénurie de candidats. Mais